Non, mais aujourd'hui, j'ai pas envie que la journée passe. Hein. Je suis toujours dans mon 8 heures là. Et moi qui disais tout à l'heure lever du soleil à 7 heures, c'est pas encore lever du soleil. C'est ça. On n'a pas envie que la journée passe, c'est ça en fait. Donc il est 9h29 minutes maintenant dans les studios de King FM. Vous êtes en direct The Morning King. En fond sonore, j'ai là. Nous avons Akil qui chante On, sait, mais on, fait. Et vous avez écouté tout à l'heure Nix et de Par Qui parlait de La boca, la boca. Ah. <laughs> Oui. C'est oh, original. les En tout cas, avec les bouches de toutes les couleurs. Mhm. Exactement. Je Oui, oui. La musique, euh, en tout cas, la musique africaine en ce moment, surtout les productions euh, des clips là, ils sont vraiment en train d'aller oh oh oh, mais très fort. Hein, mhm. Et ça, ça va vraiment de, de mieux en mieux. Moi, mhm. j'aime beaucoup. On est parti de tous les stéréotypes de oui, euh, nani, nana, je me place comme ça, la caméra ne bouge pas et tout. On, vraiment, on a des scénarios, on a de belles productions, de, de belles images et même la qualité de l'image est de plus en plus jolie. Donc chapeau, chapeau à tous les artistes et chapeau à tous ceux qui travaillent au niveau de la technique. 9h30, ça passe vite. On va parler chronique. Parlons un peu droit avec yes, on va parler de droit. On va parler de droit. Donc on se tient droit. Hier, on a parlé de voir un peu. Droit. Droit toujours, mhm. ok. Donc on continue dans le droit, on vous l'a dit, hein, on va vraiment développer au fil des, des émissions. Et là, on continue. Qu'est-ce que tu nous apprends aujourd'hui dans le droit, Miss Bintou Prépare. Démarrer. <laughs> C'est euh, côté droit, on peut distinguer. Attends, je te donne le jingle, toi aussi. Ah, arrête moi, Bintou. Jingle chronique Faut faire les choses comme, comme il se doit. J'ai là, vraiment. Voilà. Jingle droit. Non, non, mais c'est ah, pas, bon, pas, Ah, on refait. Mm-hmm. Sérieux. Sérieusement. Hein. Mm-hmm. Mm-hmm. Jingle droit. Merci. <laughs> Voilà. <laughs> comme, une, comme un juge. Validé on peut distinguer plusieurs catégories de droits reconnus aux citoyens qui sont apparus successivement dans le temps. Ces droits sont tous garantis par l'État. les premiers droits reconnus sont les droits euh, des libertés, liberté d'expression, d'opinion, de réunion et d'association. Ils peuvent être individuels ou collectifs et offrent aux individus une certaine autonomie et la possibilité d'agir sans soumission. Ce sont ces droits que reconnaît la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Leurs conquêtes ayant nécessité de longs combats, parmi eux les droits politiques, droit de vote et d'éligibilité permettent une participation au pouvoir. Le stade suivant du développement des droits des citoyens a concerné les droits créances. Ils contribuent à la dignité de l'individu, mais à la différence des droits libertés, ils ont un coût. Leur appellation vient de la nécessité de l'intervention de l'État pour la mise en œuvre concrète pour une mise en œuvre concrète il faudrait dire que taille droit bi nga xam ne ne que nous nañu énuméré mooy droit boo xam que droit à la liberté là, mais droit à la liberté day droit liberté d'expression de réunion et d'association maintenant pour permettre nit ñi nga xam que dañu am lu ñu wax wala dañu am que nous bëgg a wax ñu wax ko mais dafa am ay réglementation il ne que dañ koy il faut pas dire n'importe quoi n'importe quoi n'importe comment même si c'est association association bi war nga euh, def ay démarches pour demander autorisation pour ngeen regrouper ou wax li ngeen wara a wax at li ngeen di wax sax amna lo loo xam am ngeen fo ngeen ko wara a droit hmm. réunion tamit réunion bureau réunion fu mu mënti doon rek ku ci nekk am nga droit wax sa opinion par rapport au sujet bi moment fi nga nek wala environnement bi wala activité domaine bi ngay exercer expression de liberté d'expression mun naa ko ci médias yi journalistes et tout ça chaque personne individu bo xam que sénégalais lam dangal rek am droit wax sa opinion wax li nga xamné ne sans dévier li nga xamné la la loi toujours. En tout cas, j'ai euh, la liberté d'expression, c'est vrai. Les gens ont tendance à dire euh, ouais, il n'y a pas de liberté d'expression, alors que pour avoir cette liberté d'expression, il y a des droits à suivre. Alors si tu sais qu'il y a des droits et tu fais quand même comme il le chante à qui on sait mais on fait quand même ça ne va pas hein, ça, ne va, pas, du tout du tout. la liberté, liberté c'est pas le libertinage en faut que les gens fassent attention à ce qu'ils disent à comment ils le disent surtout quand on, on, on a ciblé parce qu'il y a des cibles euh, plus jeunes, il y a des cibles euh, plus euh, sensibles, il y a des Et il y a des sujets sensibles aussi qu'il faut savoir aborder, je pense. Hein. Donc la liberté, oui, mais c'est pas du libertinage. Il faut vraiment faut respecter autrui. Comme on dit, la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Donc il faut faire très attention. Donc oui, on a des droits, on a des droits, on a le droit de ci, on a le droit de ça, mais il faut pas choquer l'autrui. faut pas rentrer dans le. Voilà, faut pas mettre mal à l'aise les autres, soit disant tu as des droits. Après, tu as des personnes aussi qui sont très pessimistes qui sont très sensibles. Hein. C'est-à-dire que qui prennent tout au mot, qui prennent tout au premier degré. Là aussi, c'est un problème, mais ces personnes-là doivent savoir que voilà, euh, il y a des droits. Et ça dépend. Ça dépend aussi des personnages. Quand par exemple, si la vient et dit euh, un gros mot, euh, ça passe inaperçu. Mais par exemple, quand, quand, quand Bintou vient, on sait que Bintou, elle est animatrice dans telle radio ou dans telle télévision. Donc quand elle dit, euh, quand elle dit des bêtises, là, ça choque, hein Ça choque parce que ça dépend. Oui, ça dépend. Ça dépend des, des personnages. C'est vrai, ça dépend des personnages parce que, comme tu le dis, c'est vrai en plus, il faut le dire aux auditeurs et aux internautes. Nous, par exemple, quand on est, quand on est dans les médias, on n'a pas le droit de parler n'importe comment. Comment, voilà. Tu comprends mm. C'est-à-dire que, et même, même quand on a l'habitude dans à la maison, dans la vie de tous les jours, de parler n'importe comment, une fois qu'on est à l'antenne, on se doit de, tenir un langage correct. On peut faire des bavures de temps en temps, on peut sortir des gros mots de temps en temps sans forcément le faire exprès, mais il faudrait pas que ça devienne euh, une habitude, tu vois. Tu as parlé du droit, euh, liberté d'expression, tu as parlé de de quoi d'autre Liberté d'opinion, de réunion liberté d'opinion. Voilà, on a le droit, on a la liberté d'opinion. Chacun a le droit d'avoir de donner son opinion sur un sujet. On a le droit de se réunir, mais les raisons pour lesquelles on se réunit doivent être réglementées. Tu vois, parce qu'après, il suffit de deux personnes pour que pour qu'une situation déborde et ça crée, euh, mais mais que ça éclate vraiment comme. Et même pour les manifestations, hein. elle l'a si bien dit pour les manifestations. C'est pas parce que vous êtes une association, vous avez quelque chose à dire que vous pouvez sortir dans les rues de Dakar comme ça pour dire oui, on veut plus ça, on veut plus ça. Non, mm. il y a des droits à suivre pour pouvoir faire cette manifestation. Exactement. Si les droits sont réunis, vous pouvez le faire. S'ils ne sont pas réunis, non. Voilà. Quelque chose à rajouter, Bintou Juste pour dire que Sénégalais internet c'est ce qu'on va faire pendant 365 jours, essayer de comprendre nos droits et nos devoirs. Exactement. On va approfondir ce sujet au cours des émissions, essayer de comprendre quels sont droit et quels sont nos devoirs. 9h36 minutes dans les studios de King FM. Merci Bintou pour ta chronique. On en apprend toujours beaucoup avec toi. Enfant sonore, le Camerounette, non <laughs> Est-ce que vous savez que le petit garçon là, il a signé à Universal Ah oui Ah mais je te promets. Et il est devenu le plus jeune africain à avoir signé à Universal. Parce que quand il signait, il avait 18 ans. Là, là elle parle. Hein, ah mais je connais. C'est le pays qui parle. tu ignores quoi <laughs> <laughs> Donc on va s'écouter un peu de ténor, Kabangondo et on va tout de suite après. Qui veut dire quoi Kabangondo, en fait c'est une tenue, tu sais les kabas là, mm, en fait ce qu'il dit c'est que euh, les, un peu comme euh, World World ouais les ah, femmes exactement. Donc il dit on voit moins, on, on voit de moins en moins des filles dans les, robes traditionnelles. Elles sont maintenant en jean, matelots et ah, tout. Revenons au Kabangondo, en dansant Kabangondo.